Effectivement, comme vous l'avez dit, comme toute organisation euh, au niveau des formations sanitaires et au niveau de la santé de manière générale, euh, la pandémie à la COVID a fortement, je dirais, impacté sur nos activités. Alors, en ce qui concerne euh, le paludisme, cela s'est vu surtout en ce qui concerne l'organisation de ce que nous appelons les différentes campagnes de prévention. Alors, euh, l'année dernière, en 2020, euh, nous étions censés organiser euh, au mois de mars-avril une grande campagne de distribution de moustiquaires qui, malheureusement, compte tenu de la pandémie, a été reportée jusqu'au mois de juin et cela a nécessité donc la reprise complète de l'organisation en tenant compte des mesures barrières dictées par le gouvernement. Alors initialement, euh, lorsque nous organisons ces campagnes, euh, nous regroupons donc les populations à certains points stratégiques et nous procédons aux distributions. Mais là, il fallait donc revoir, repenser toute l'organisation et passer donc au porte-à-porte. portes à porte à porte en ce qui concerne la distribution et bien sûr en changeant l'organisation en amont par rapport à tout ce qui est formation, en tenant compte des distanciations, en tenant compte aussi euh, des, non-regroupements des distributeurs et autres agents de santé dans des salles de réunion et autres pour des différents briefings, mais également en repensant tout ce qui est supervision pour tenir compte aussi des distanciations dans les véhicules où on ne pouvait pas mettre un certain nombre de personnes. Alors cela s'est vu aussi euh, euh, lors de la campagne de, chimio-prévention du paludisme saisonnier où il a fallu tout reprendre par rapport à l'organisation. Et cela, bien sûr, n'est pas sans coût, sans coût additionnel, parce que reprendre toute l'organisation d'une campagne en changeant les dispositifs et en changeant euh, la façon de procéder, il va de soi que la campagne, euh, les différentes campagnes ont eu vraiment euh, euh, ont, été modifiées, on, a été obligé de, tout repenser et malheureusement la pandémie de à la COVID-19 a fait en sorte que les coûts de ces différentes campagnes ont été ont, été revus à la hausse. Alors, en ce qui concerne euh, la prise en charge des malades également euh, atteints de paludisme, euh, c'est vrai que la pandémie, là encore, a eu un impact important parce que si vous avez souvenance, les premiers mois de la pandémie, en tout cas à Niamey, avec les différentes restrictions, le couvre-feu également, il y a eu pour certains des retards dans la prise en charge des retards dans le, dans le recours aux soins. Et cela s'est vu également à l'intérieur du pays. Lorsque la pandémie a commencé à atteindre les régions, on a constaté qu'il y avait des retards dans euh, le recours aux soins du fait que les gens étaient quand même euh, hésitants et il y avait une certaine frayeur, une certaine panique qui s'était au tout début emparée de la population et euh, les malades étaient réticents à se rendre dans les formations sanitaires pour se faire tester euh, euh, pour le paludisme et se faire euh, donc prendre en charge contre cette maladie. un autre point important que nous avons constaté, c'est la prévention chez les femmes enceintes et également le suivi de la consultation des nourrissons sains les activités, donc, en ce moment-là, euh, s'étant arrêtées, puisque seules les urgences étaient prises en charge, donc, il y a quand même eu euh, ce problème en ce qui concerne donc la prévention chez les enfants et la prévention chez les femmes enceintes, puisque toutes les activités préventives à un moment s'étaient arrêtées. Et cela vraiment a eu un impact considérable, surtout chez les femmes enceintes, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de prise de médicaments pour prévenir le paludisme. Et malheureusement, nous l'avons ressenti euh, au niveau des, des, différents chiffres. Nous avons ressenti une hausse de <coughs> paludisme chez les femmes enceintes, en tout cas au moment où euh, donc, toutes ces restrictions étaient vraiment euh, très contraignantes pour les populations et les agents de santé. Mais Dieu merci, la situation a évolué favorablement et actuellement, en tout cas, nous arrivons à mener à bien donc nos activités et nous nous sommes réadaptés en fait à la situation en tenant compte donc de ce contexte. Alors, la chimio-prévention du paludisme saisonnier, c'est tout simplement des médicaments contre le paludisme que nous administrons aux enfants de 3 à 59 mois pendant la période euh, que dure donc la, période que nous appelons la période de haute transmission, pendant la saison des pluies pour éviter que ces enfants soient atteints de paludisme ou éviter qu'ils passent à la forme grave de paludisme lorsqu'ils ont un paludisme simple. Alors, ce sont des médicaments de prise en charge que nous donnons euh, du mois de, à partir du mois de juillet, donc août, septembre, octobre, à raison de trois jours de prise par mois, donc pendant les quatre mois que dure la, saison des pluies. Alors nous avons commencé euh, très tôt au Niger, depuis 2013, au moment où l'OMS donc lançait cette recommandation. Et nous sommes un des premiers pays à commencer à mettre en œuvre cette stratégie. Nous avons commencé avec 200 000 enfants et nous sommes passés euh, en 2019-2020 à plus de 4 millions d'enfants qui sont euh, protégés donc, pendant la période de haute transmission. Alors en matière de, points forts et de résultats, euh, les chiffres sont très parlants. Hein. Lorsque vous prenez rien que de 2017 à 2019, nous avons enregistré une diminution de l'incidence chez les enfants de, moins de, de, 5 ans, donc de 3 mois à 5 ans, de 465 pour 1000 cas chez les enfants à 296 pour 1000. Donc vous voyez que nous avons presque réduit donc de moitié l'incidence euh, euh, du paludisme dans cette tranche d'âge. Alors bientôt la saison des pluies, nous sommes euh, presque prêts, presque prêts pour la campagne 2021, Inch'Allah. Et la particularité, c'est que nous avons étendu donc euh, la mise en œuvre à d'autres districts. Euh, nous continuons à coupler euh, ce, cette, prise en charge, cette protection, cette prévention chez les enfants, donc au dépistage de la malnutrition. Et nous continuons donc l'organisation en tenant compte donc du contexte Covid et toutes les dispositions en tout cas sont prises, les médicaments sont déjà disponibles euh, il n'y a que les dernières touches. Nous allons bientôt passer euh, au briefing et à la formation donc, du personnel de santé pour donc, euh, être enfin prêt donc, pour le mois de juillet, Inch'Allah, pour le début de cette campagne.